Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la 42e édition du sabre national de lutte traditionnelle débutée le 24 décembre 2021 à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. L'actualité, c'est aussi la célébration samedi 25 décembre de la fête de Noël commémorant la naissance de Jésus-Christ. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur l'affaire de l'interpellation de deux ministres de la Sécurité et de la Défense par l'Assemblée nationale suite aux événements survenus à Tira le 27 novembre 2021. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Alhaji mohamedou suleiman directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaji Mohamedou-Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Abba Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Arimi, bonsoir. Bonsoir, Et Memoune Diado, journaliste indépendante. Memoune Diado, bonsoir. bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 31 décembre 2021, le dernier du mois de décembre et aussi de l'année 2021 par la 42e édition du Sabre national de lutte traditionnelle. Le coup d'envoi a été donné le vendredi 24 décembre 2021 à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey par le ministre de la Jeunesse et des Sports Sekudoro Adamou en présence euh, du Premier ministre chef du gouvernement Ouhumoudou Mahamadou. Euh, cette édition est placée euh, sous le thème Vivre ensemble, nous sommes une famille. Ainsi, 80 lutteurs vont euh, chacun défendre sa région, mais aussi se défendre individuellement, car au-delà du sabre, il y a des distinctions individuelles. Abakari Arimi, vous êtes euh, journaliste, euh, chroniqueur sportif. Que peut-on retenir autour des combats jusque-là livrés par les lutteurs à l'issue des différentes rencontres Merci. C'est une très bonne chose euh, le sabre national, le championnat national de la lutte qui est devenu le sabre national. Ça, c'est au moins ce sur quoi euh, tous les Nigériens s'entendent. Euh, malheureusement, on est dans une situation où seul, depuis quelque temps, la première journée est sincère. Parce que là, les 80 lutteurs. Euh, c'est la première journée. La première journée, oui. Par exemple, ça a commencé samedi dernier. Oui, il y a beaucoup, de, à, mon, à, mon, sens, de ce que je vois, je pense qu'il y a beaucoup de combats truqués. Pour quel intérêt euh, Écoute, euh, c'est parce que on a perdu un certain nombre de, valeurs, mais aussi on a, il n'y a pas d'intérêt. Une fois que le lutteur est tombé, il n'y a rien euh, qui le pousse à résister contre, par exemple, un lutteur qui n'est pas un invaincu. pourtant, il y a une commission euh, qui est en charge euh, de, ces combats turcs-là. Oui, dès, qu'on voit certains combats, on le sait. Dès qu'on voit certains scores, on le sait. C'est-à-dire, on fait tout pour ménager l'invaincu d'une équipe. Si vous avez constaté, oui, euh, aujourd'hui, par exemple, euh, il y a des champions, des, invaincus qui sont tombés, mais c'est quand généralement ils rencontrent un invaincu. Quand c'est deux invaincus, il n'y a rien à faire, chacun se cherche encore dans sa course vers, la, vers le sable. Donc il faut qu'il fasse terrasser l'autre et voilà. Sinon, c'est ce qui arrive. Euh, mais pourtant, il y a des sanctions qui sont prévues par les textes en la matière. Mais écoutez, deux gaillards sont sortis, ils ont essayé de lutter, l'autre, ils s'entendent avant de rentrer dans l'arène. La, dans c'est difficile. Si quelqu'un donne son pied, on comprend pour le terrasser. Parce que personne n'est exempté aussi de tomber. Donc c'est aussi ça. C'est difficile à déterminer. Et si on doit sanctionner, souvent on peut sanctionner 40, euh, 50 euh, lutteurs avant la fin du, championnat. C'est dû à quoi À mon sens, euh, les choses ont évolué la place de l'argent aujourd'hui dans toutes les choses. Vous voulez dire que les, lutteurs sont en train de monnayer euh, leur victoire Je ne suis pas dans leur secret, mais il n'y a pas de raison à le faire gratuitement aussi. Parce que tu représentes une équipe, tu représentes euh, une, une région, entre guillemets, tu n'as pas intérêt à te faire tomber. Et c'est des gaillards, et puis c'est quand même des pères de famille, ils ont de la famille et tout. Tomber dans le temps, c'est perdre, c'est avoir honte, n'est-ce pas Il y en a qui peuvent tomber sept fois tout le long du, du championnat. C'est les sept combats, ils tombent sept fois. On, ne peut même pas parler, on ne peut même pas parler avec eux de phase individuelles. Euh, individuelle. Donc, moi, je pense que la limite, la, notre lutte traditionnelle telle que nous la pratiquons, a atteint toutes ses limites. Il y a longtemps de cela, je me rappelle, j'ai discuté avec haut fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on ne s'est vraiment pas entendu parce que j'avais dit que le ministère a intérêt à se retirer de la lutte. À se retirer, à se retirer laisser la place à, euh, la fédération. Parce que le ministère donne une délégation de pouvoir à toutes les fédérations. Il y en a 19 n'est-ce pas La fédération à elle seule euh, peut organiser. Bien sûr, mais pourquoi le football organise son championnat seul Personne ne s'intéresse parce qu'il n'y a rien n'est-ce pas Là, quand il y a le championnat de, l'athlétisme, même les journalistes ne sont pas au courant, ça se fait. N'est-ce pas de, pétanque, c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Un, le ministère se retire. Deux, on doit le football, le, le sport, on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Il faut nécessairement pencher vers ce qui se passe au plan international. Si on veut que notre lutte, un jour, on dit aujourd'hui le taekwondo c'est venu du Corée, machin, le, judo c'est venu du, euh, de, l'Asie, ainsi de suite. si on veut que notre lutte soit de, un, sport olympique, par exemple, oui, de haut niveau et olympique pratiqué dans tous les pays du monde, on doit tenir compte, par exemple, du poids est-ce qu'on se comprend quel, de poids Les joueurs, il y a cinq catégories de poids qu'on sait, n'est-ce pas Les moins de 60 kg, moins de 70 kg, ainsi de suite. Et maintenant, il y a la catégorie euh, phare. C'est souvent les plus de 100 kg, n'est-ce pas Quand on va à l'étranger avec les Sénégalais, c'est ce qu'on fait. Sinon, on est dans une lutte où quelqu'un qui a 60 kg ne va jamais remporter la compétition. C'est impossible. Oui, il aura beau avoir des gris-gris, il aura beau avoir des génies et tout, il ne peut pas terrasser quelqu'un qui a 120 kilos. Ça peut arriver une fois dans, la, dans les 80 combats qu'il va y avoir, machin, mais il n'y aura jamais un, champion de moins de 60 kilos. Ça, c'est une proposition. Donc, ça, c'est une proposition. Non, ça permet de sortir de la situation parce que toutes les équipes vont s'affronter. Il y a cinq catégories, il y a cinq joueurs, cinq euh, titulaires, cinq réservistes. Toutes les équipes vont s'affronter. Et chaque point compte. Parce que là, là, où, on est, la rémunération pour le classement par équipe, ça ne vaut rien. Chacun veut être champion. Donc si je ne suis pas tombé, je peux même débourser de l'argent pour que mon adversaire me laisse tomber. Ou que les régions s'entendent pour que, euh, bon, moi j'ai un invaincu, toi tu as, tous tes 10 joueurs sont, 10 lutteurs sont tombés, je te donne 9 victoires pour que tu me laisses. Parce qu'il y a un seul joueur à passé. il y a 10 millions à la clé, toujours il y a une 4-4 à la clé, des dizaines de millions que le gars va prendre et qu'il va partager avec ses coéquipiers. Or, si c'est par catégorie, moi, je suis, j'excelle dans la catégorie de moins de 60 kilos. Je peux aller jusqu'au bout pour ne pas tomber parce que si je gagne, il y a cinq qui sont cinq, cinq champions qu'il peut y avoir. Ça, c'est extrêmement important. Tant qu'on ne valorise pas le, le, combat par équipe, quand on va au Tolac, ou bien quand les gens viennent au Tolac ici, toutes les catégories euh, ont leurs champions, n'est-ce pas et maintenant, il y a la catégorie phare, parce que c'est les géants, c'est une démonstration de force, c'est des gens de plus de 100 kilos, ils s'affrontent. C'est quelque chose qu'il faut venir voir. Donc moi, je pense qu'il faut moderniser notre lutte, parce qu'il faut prendre compte des valeurs du moment. L'argent compte énormément aujourd'hui et il faut en tenir compte. Alhaji Mohamed Suleiman, la 42e édition du Sabre national de lutte traditionnelle a été placée sous le thème Vivre ensemble, nous sommes une famille. Que faut-il comprendre à travers ce thème euh, ben, Je crois que euh, le contexte euh, national, national marqué par l'insécurité et toutes les autres contradictions fait que véritablement on a besoin de cette solidarité nationale. Et la lutte, effectivement, c'est une de ses missions. Donc, au moment qu'il y a la lutte, au, village et partout, effectivement, les gens suivent, euh, sont branchés sur leur radio, sur, euh, euh, sur la télévision. Donc, c'est un moment vraiment de communion et pour transmettre en tout cas ces valeurs donc d'unité nationale en tout cas je pense que c'est cela dans ce contexte où effectivement on a besoin d'une sorte d'union sacrée où euh, véritablement l'ennemi comment fait que véritablement, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit plus fort. Et justement, la lutte euh, s'impose comme le sport national par excellence. Euh, moi, je suis d'accord avec ce que a dit. Et mieux, je pense, pour moderniser et valoriser la lutte, il va falloir aussi mettre assez d'argent. L'exemple type, c'est le Sénégal. ce que le Niger investit est dérisoire Nos lutteurs après ce championnat, ils sont jetés en pâture, ils n'ont rien à faire, ils vont en aventure, euh, ils vont à la côte, ils sont là à ne rien faire, en réalité, parce que tout simplement, eux, on fait appel à eux euh, quand effectivement il y a des compétitions donc, euh, pour les sélections euh, quand tu as échoué, tu vas dans une autre région. C'est un peu ça, malheureusement, le, situation. ce que j'ai dit, en tout cas, on peut faire, et c'est bien possible, l'État dégage une enveloppe plus conséquente, mais aussi les partenaires, tous ces sponsors-là que je vois à la télévision nationale, on ne doit pas prendre des miettes avec eux. Une société qui fait des affaires, en tout cas, qui fait, de la visibilité, des concerts avec l'ORTN en tout cas, et les, partenaires, donc la fédération ou bien le ministère, mais on demande un minimum, en tout cas, pour qu'on puisse vraiment avoir suffisamment d'argent pour faire, en tout cas, que de faire 10 euh, euh, millions. faisons 100 millions, faisons 50 millions, on peut justement avoir cet argent. Le soutien pour le monde créer de moderniser. Et c'est pour ça je pense qu'il faut faire en ce que ce soit la fédération par le ministère. Avec le ministère, non seulement c'est lourd, mais aussi il y a beaucoup d'inquiétudes sur la transparence de la gestion de, ces ressources. Euh, donc je pense que il va falloir donc, euh, au-delà de cet aspect, aussi euh, valoriser euh, donc la vie de lutteurs en faisant en sorte que, parce que je pense que chaque, cette idée qui revient, leur trouver en tout cas des, activités lucratives. En dehors du championnat Absolument, ne serait-ce que par exemple, ils peuvent faire. Il y a beaucoup de choses qui sont forts, par exemple, les compagnies de, sécurité, on peut les, les, utiliser comme euh, employés. Bref, euh, je pense que c'est cela, en fait, valoriser, euh, faire en sorte que si on dit que c'est notre sport national, il faut effectivement créer des conditions pour que ce soit en tout cas le sport national en motivant regardez aujourd'hui, par exemple, l'image de Tassu qu'on a vu. Tassu, l'ancien champion de ab, Absolument. Et beaucoup de Tassu, effectivement, beaucoup de ces gloires, effectivement, ont fini comme ça parce que tout simplement, c'est comme une sorte de. Euh, je, rappelle que Tassiou est, souffrant. Il a été euh, récemment pris en charge par. On l'a vu euh, hier en train d'être évacué, hier seulement parce qu'il y a eu l'alerte bien avant. Mais c'est hier, on a vu, on a dit, en tout cas, c'est le président du Conseil de, des Andes qui a pris ça en charge. C'est mieux vaut tard que jamais. Mais il y a beaucoup de Tassiou, en tout cas, beaucoup de Sassane de en tout cas, qui ont été abandonnés. Si à la fin vraiment qu'on fasse un cri de. Mais vraiment, je pense que c'est cela il faut donc euh, que la vie de ces gloires, en tout cas, que ce ne soit pas seulement des médailles, qu'on les accompagne en tout cas à mener une vie parce que tout simplement, ils ont été utiles pour la nation. Euh, je pense que c'est important. Mme Gado, la lutte traditionnelle constitue sport roi au Niger. Elle est portée par des traditions euh, ancestrales chères au cœur des Nigériens. Avez-vous relevé des insuffisances et comment améliorer Oui, vous l'avez dit, c'est le sport roi. Et des insuffisances, il y en a. Il y en a toujours des, insuffisances, comme l'ont dit mes autres. Comme relever les deux, les intervenants. voilà. Donc, euh, il suffit, si on veut moderniser, il faut moderniser ça très bien, mais tout en restant dans euh, la forme la forme que nous nous connaissons avant. Donc on a comme l'impression que quand vous regardez, c'est plus le sport, c'est plus la lutte traditionnelle d'avant. Ça a eu tellement de transformations, tellement de changements qu'on n'arrive plus à se situer. Donc on n'a plus le plaisir qu'on avait avant, en tout cas, de regarder ces lutteurs, ces... oui, mais, est-ce qu'en regardant seulement à la télévision, on peut savoir qu'il y a des combats truqués ou bien il y a des phases mais, même quand on regarde devant la télévision, euh, <laughs> il suffit de regarder la télévision quand il y a deux, combat. Euh, <laughs> un combat, tu sens très rapidement que c'est déjà un combat truqué. Parce que comme l'a dit Arimi, quand il y a un, vaincu et celui qui est déjà terrasé, Donc, euh, tout de suite, s'arrange entre eux. Donc, c'est des jeux, on, prend l'attention des uns et des autres, mais ça ne dure pas. Et puis, le combat est fini, quelques une minute, quelques deux minutes, c'est la poussière est finie. Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que tout simplement, comme l'a dit Armi, c'est en fait des combats truqués qui sont en train de dévaloriser la lutte traditionnelle. comme je l'ai dit, il y a des sanctions. Les, textes ont quand même prévu des sanctions. Euh, les textes ont prévu des sanctions, mais les sanctions, au-delà même de la lutte traditionnelle, il y a des sanctions qui se passent, mais est-ce qu'il y a des sanctions qui sont. Est-ce que c'est pris en compte, ces sanctions Même au niveau des sanctions, là, il y a des arrangements qui se font. Il y a des arrangements qui se font. Regarde. Bah, par exemple, toi, tu es un lutteur et là pour défendre sa région. Un lutteur est là d'abord également pour se défendre lui-même pour remporter le sabre national. Mais quand on regarde, comme on l'a dit, les régions, si aujourd'hui tous ces Niamey, je prends Niamey, on dit que tous les lutteurs de Niamey sont terrassés. Les lutteurs de Zender, ça reste. Et, ils, croisent les lutteurs de Zender. Trois qui ne sont pas terrassés. Niamey, tout est terrassé. Donc, dans ce cas, il faut, il faut, il faut laisser le privilège, par exemple, à ceux de Zender qui ne sont pas encore terrassés, de, de poursuivre, en fait, le combat. ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Et comme ils l'ont dit aussi, c'est vraiment de mettre en sorte, de faire en sorte qu'il y ait plus cette euh, main du ministère euh, des Sports dedans. C'est pourquoi ne pas laisser Fénilut. À un moment donné, tout le monde a vu comment est-ce que ça s'est passé. Il y a eu des, tiraillements euh, au niveau donc de la Fénilut et des tiraillements entre le ministère de la jeunesse et Fénilut. Donc pourquoi ne pas laisser le soin à cette fédération d'organiser en bonne et due forme euh, le championnat. Donc c'est ça aussi. Et il faut accompagner les lutteurs. Ça veut dire quoi accompagner les lutteurs Parce qu'on a vu dans d'autres pays. Aujourd'hui, par exemple, prenons seulement le cas de Miss Niger. On voit qu'au-delà de Miss Niger, il y a un fonds qui est mis à la disposition de cette Miss Niger, pour que après elle puisse faire des actions, mener des actions en fait. Donc pourquoi est-ce que un lutteur aujourd'hui qui, qui remporte le sabre national, au lieu de, de lui donner seulement ce qu'il doit recevoir, comme les 10 millions, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner avec un fonds qu'il va gérer, oui, oui, qu'il va gérer ensuite euh, en faisant des initiatives. Pourquoi pas dans sa propre région, il y a des initiatives qu'il peut mener. Ça lui permettra vraiment de continuer à travailler pour le pays, mais il ne peut pas se mettre. Euh, il ne peut pas prendre parce que l'argent qu'il prend, ce n'est pas lui seul qui va qui gagner et qui en bénéficie. Donc, c'est avec tout le monde. Donc, dans ce cas, moi, je me dis qu'il faut valoriser les choses. Il faut vraiment permettre à ces jeunes, surtout ces jeunes aujourd'hui qui veulent être euh, de cette compétition, leur donner la chance aujourd'hui qu'on dise que le sport roi du Niger est vraiment euh, et valorisé, et que ça permettrait à ces jeunes au moins de ne pas se, focaliser seulement sur le, le championnat, de faire autre chose après. Ah, en fait, euh, ah, ah, juste, un mot, juste un mot, ils font en faire une industrie de la lutte national de la lutte traditionnelle. Une industrie, c'est-à-dire qui génère des ressources, qui répartit ces ressources-là parmi les principaux acteurs et qui rapporte au pays y compris, parce qu'il faut que les gens viennent voir notre lutte aussi. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est la prise en charge des sportifs et des hommes de culture, parce que j'ai en mémoire Yazid Djogo qui est extrêmement malade, mais qui ne bénéficie pas, je ne sais pas, mais qui ne serait pas euh, entièrement pris en charge. Or, un grand sportif qui est devenu une star, celle que le gars de Zender, ou quelqu'un comme Yaji Dogo, on ne doit pas penser à ce qu'il aurait gagné de par le passé. C'est des leaders d'opinion, c'est des stars, c'est à des gens euh, auxquels les jeunes s'identifient. S'ils finissent mal, eh bien, personne ne s'intéressera à ce que les gens sont en train de faire. C'est extrêmement important. Merci, Arimi. Euh, un mot, un mot juste. Il y a la loi 98, euh, quoi que tout honneur, tout honneur, euh, le ministre Abdul à son temps a ah, initié, Abdraman Saïdou, mais qui n'a jamais été appliqué et qui prévoit beaucoup d'aspects de ces choses-là, je crois qu'il est temps de revenir voir. En fait, au Niger, on voit petit. Il faut qu'on voit grand, tant sur le plan culturel que sportif. Merci Arimi, on observe une courte pause. Passons au second sujet de ce forum de la presse. Les chrétiens du monde ont célébré le 25 euh, décembre dernier la fête du Noël consacrant la naissance de Jésus-Christ. À Niamey, l'archevêque euh, Monseigneur Laurent Lompo a souligné au cours de la veillée de Noël euh, que Jésus-Christ euh, renaît comme une explosion de vie au cœur de nos problèmes familiaux, au cœur de nos découragements face à la grande pandémie du coronavirus dans le monde, au cœur de nos peurs, de nos insomnies face à l'insécurité généralisée dans notre sous-région au cœur euh, de nos doutes quant à l'avenir des jeunes sans emploi au cœur de nos inquiétudes pour l'éducation des enfants face aux multiples écoles fermées à cause de l'insécurité dans notre pays, etc. Mais Diado, que faut-il comprendre à travers les propos de l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lampo euh, d'abord, c'est avec émotion que j'ai suivi le message de ce grand leader religieux, euh, Monseigneur euh, Laura Lampo, parce que en fait, on a senti vraiment une tristesse en lui en évoquant cette situation d'insécurité que traverse le Niger, que traverse les pays sahéliens en évoquant également la maladie euh, du, coronavirus. en parlant de la cohésion sociale entre euh, les chrétiens, les musulmans. Euh, cette cohésion, il a demandé à ce que ça soit encore renforcé, davantage. Il a parlé également de cette jeunesse l'éveil de conscience de la jeunesse, qu'elle soit nigérienne et africaine en même temps. Donc je me dis que vraiment, il a fait euh, un contour spectaculaire en disant ces mots-là, en touchant le cœur, non seulement de ces chrétiens, mais le cœur de tout un chacun aujourd'hui, pour euh, dire euh, ces choses-là. Ça veut dire que euh, lui-même, il est touché dans son fond cœur intérieur et il a voulu exprimer ce qu'il ressentait à travers euh, les, les, les, phrases qu'il a eu à tenir devant l'Assemblée. Donc c'était vraiment, vraiment bien réfléchi bien réfléchi, c'est un message quand même. Et c'est un leader, c'est pas n'importe qui. Et sa voix porte, porte loin aussi. Donc, il euh, il faut pas euh, sous-estimer ce qu'il vient de dire. C'est surtout l'encourager aussi et encourager vraiment ces genre de cohabitation entre les chrétiens et les musulmans parce que il a parlé, il a insisté sur ça et il a, du fait que en insistant sur ça, c'est ça qui fait également la cohésion sociale. Ça permettrait de ramener la paix aussi euh, dans nos pays. Voilà ce que je peux retenir en fait de son message. Alhaji Mohamed Souleymane, cette année, dans certaines localités euh, du Niger, les chrétiens n'ont pas pu célébrer la fête de Noël dans la joie et l'allégresse à cause euh, de l'insécurité. Quelle est l'ampleur de l'angoisse de toutes ces populations euh, vous savez, les hommes de Dieu ont leur façon justement d'exprimer leur foi, à savoir directement avec le Créateur, mais je pense que ne pas pouvoir le faire en congrégation, en communion, c'est effectivement une marque de la victoire du terroriste, en tout cas euh, d'une certaine façon, parce qu'il empêche euh, la vie normale aux gens, des de vivre normalement, de partager ce moment en tout cas important. Euh, donc, je pense que c'est un défi à, relever. Et je pense que c'est l'occasion à jamais pour les, pour les croyants, en tout cas, de prier le Créateur parce que quelque part, je me dis que quand on voit de façon récurrente l'impuissance, euh, l'impuissance, euh, en tout cas des forces euh, régulières à mettre, en tout cas à venir à bout de l'insécurité. À, l'insécurité, franchement, on se rend compte que quelque part aussi, les religieux ont une part importante, non seulement dans la prière, mais aussi à consoler toutes ces victimes. Il y a des gens aujourd'hui, imaginez ce que ça fait en termes de le, au niveau psychologique des gens qui sont victimes de cette situation où véritablement des gens peuvent venir sévir, violer, tuer. Donc vous voyez ce que ça peut euh, avoir comme, comment ça peut affecter la vie des citoyens. Donc je pense que les religieux ont leur mot à dire et je pense que aussi ensuite, en tout cas, euh, bonne fête donc aux, chrétiens, c'est de considérer qu'en tout cas ici au Niger, ce n'est plus avant ou véritablement suite à une mauvaise euh, opinion. Il y a quand même la, tolérance. Euh, absolument la tolérance, parce qu'effectivement, un travail qui est fait par des leaders religieux, de la société civile en tout cas, qui prennent le dialogue interreligieux hmm. ou véritablement. Inter et absolument. Et quand vous regardez en réalité en tant que musulman, nous, en tout cas, l'islam euh, nous enseigne fondamentalement que les chrétiens sont plus proches, on est plus proche. Et Dieu a tranché en disant que s'il il avait voulu, justement, il aurait fait de nous une seule euh, communauté avec une seule langue, une seule religion, une seule race. Mais il a voulu, pour tout simplement notre commerce, pour mieux échanger, il a voulu nous faire en différentes races, en différentes religions. Ça doit être médité. Ça, c'est la réponse divine à la question qui été nos différences. Ce ne sont pas des faiblesses. On doit profiter de nos différences, en tout cas, pour tout simplement davantage euh, profiter pour le vivre ensemble. je pense que euh, c'est vraiment important de constater que le respect, et ça c'est vraiment la, euh, le côté moral, la cohésion pacifique. Et même, en tout cas, les chrétiens bien dire que ne fais pas à, à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et je pense que ça, c'est vraiment l'aspect le plus important de la morale. Abachari Arimi, comment davantage euh, cultiver la tolérance religieuse et promouvoir la cohésion pacifique au Niger Écoutez, euh, ce qu'il y a d'abord, hein, Suleiman euh, l'a dit, c'est extrêmement important du temps de notre prophète, n'est-ce pas, il y avait un pacte entre ces deux communautés de non-agression, n'est-ce pas Tant qu'ils ne nous attaquaient pas, on ne devait pas les attaquer n'est-ce pas Bon, euh, après lui, les choses ont évolué, n'est-ce pas, jusqu'à amener certaines communautés, parce qu'il n'y a jamais eu une guerre euh, généralisée au niveau mondial entre chrétiens et, musulmans. De tout temps, nous avons vécu euh, en paix, n'est-ce pas Et particulièrement au Niger, à part cette histoire de Charlie, n'est-ce pas Et où je pense que les jeunes qui ont mené ces actions se sont trompés de, cible. Nous avons toujours vécu à symbiose. On devait continuer. Notre interprétation de la chose religieuse doit être la même, n'est-ce pas Et chacun autour de lui, il y a un chrétien ou un musulman avec qui il entretient des relations, très bonnes très bonnes relations. Ça doit se poursuivre et ça doit se généraliser heureusement, à l'école, nous avons toujours été euh, ensemble, n'est-ce pas Et dans la vie de tous les jours, nous avons fêté et nos fêtes de, euh, religieuses de la religion musulmane, Tabaski, euh, Ramadan, souvent ensemble. Et nous avons aussi fêté parce que nous n'allons pas à l'école, parce que nous, nous, nous chômons quand même les 20, 25 ans et tout ça. Je crois que oui, il faut consolider cela et les leaders d'opinion, ceux qu'on écoutent nos marabouts, doivent vraiment prêcher la vérité à ce niveau-là. Et je crois que D'abord, ce n'est pas de notre tempérament euh, de s'en prendre vraiment pour ces raisons-là. Au Niger, en tout cas, le problème ne s'est pas posé jusqu'à cette date que j'évoquais tantôt. Et depuis, apparemment, les choses se sont revenues au même euh, niveau. Maintenant, de l'extérieur, où euh, les terroristes attaquent Bon, ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Euh, qui n'attaque pas Des gens sont attaqués même dans la mosquée, n'est-ce pas Au nom de cette même religion. Que ces personnes-là attaquent dans les églises, je dirais presque même que c'est dans la ligne des choses. Il faut en finir aussi avec ces attaques le terrorisme, ça doit finir sur notre territoire et je crois que musulmans et chrétiens vivront en paix sur le territoire nigérien. On observe une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à l'interpellation des deux ministres en charge de la sécurité et de la défense par les députés à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou était euh, le jeudi 23 décembre matin à l'hémicycle pour répondre à l'interpellation à la place des deux ministres relativement aux événements survenus à Terra le 27 novembre 2021. Euh, seulement, l'opposition a boycotté le huis clos. Aladji Mahamadou Suleiman, que faut-il comprendre au sujet euh, de cette interpellation euh, Bon, cette actualité, tous les Nigériens ont suivi ça. À un moment, il, avait, il avait été dit que les deux ministres ont refusé de venir s'entendre, mais il paraît que c'était juste un problème euh, d'agenda, de, communication. Ils n'étaient pas disponibles. Euh, et puis bon, la dernière fois. Est-ce un déficit de communication ou un problème réellement d'agenda Bon, euh, dans tous les cas, il est dit qu'il n'était pas disponible. Maintenant, le Premier ministre est disponible. Il était venu euh, donc, euh, le 23. Le 23, donc les députés de l'opposition ont quitté en invoquant donc, une disposition. Euh, mais aussi, c'est une autre disposition de la Constitution qui a été invoquée pour dire que sur des questions hautement stratégiques, à la demande sensible. à la justement quand on dit stratégique ça, on comprend euh, à la demande du premier ministre ou bien à la demande euh, d'un certain nombre de je crois c'est combien de, de, tiers ou combien de députés on peut faire ce débat à, à huis clos je pense que le plus important que le débat soit fait à huis clos ou bien en public les députés de l'opposition auraient pu rester discuter ce que le premier ministre allait dire et ils peuvent le traduire au peuple, en tout cas, parce que la preuve le fait un point de presse. Venir faire le débat sur des questions de sécurité, je pense que dans tous les pays du monde, ces questions, on ne peut pas les, discuter, en tout cas, si véritablement il y a des choses stratégiques, euh, en tout cas, on ne peut pas euh, un nombre de choses. Maintenant, je ne dis pas qu'effectivement, il faut aussi dire la vérité aux citoyens de ce qui s'est passé. Euh, donc, je pense que quelque part, quelque part, ce sont les députés, quelque euh, qui vont dire la, vérité aux citoyens ou bien le premier ministre. En fait, l'idée, le principe, à partir du moment où le peuple était, venu, si le député de l'opposition avait privilégié l'approche dialogique, oui, il est venu, on va poser une question. De ces réponses, nous, nous pouvons les traduire au peuple. Autrement dit, ils ont fait un ratage de communication parce que tout simplement, il était venu. Le fait qu'il n'est pas venu, c'est ça le problème. Mais le fait qu'il est venu, il fallait profiter, débattre, poser vos questions. Les réponses qu'il aura données, vous pouvez les donner effectivement euh, à travers les médias, au, peuple. Donc, quelque part, je pense qu'il y a juste un ratage, il y a peut-être quelque part une certaine mauvaise foi, mais je pense que le principe aurait voulu que vienne débattre publiquement. Il y a le Premier ministre et les autres ministres qui sont là. Posez vos questions, les réponses, vous pouvez adresser vos réponses. Parce qu'effectivement, il est question de. Ah, si, on peut enregistrer, donc ça veut dire que le huis n'a servi à rien. quand je dis arrêter, écoute, moi je parle que je dis quand je suis un député. J'ai l'occasion de discuter avec le. Parce qu'en en fait, le Premier ministre et les autres ministres sont, sont, là. Nous avons des questions précises à leur poser. C'est quoi l'idée On a dit que maintenant, on ne va pas faire ça sur la, Les zones de la, télévision, ah, la ah, télévision et la radio nationale. Ça ne peut pas m'empêcher à discuter parce que tout simplement, je suis censé d'abord avoir ces, réponses-là. Maintenant, effectivement, je suis libre à moi de venir dire, en fait, voilà ce que le peuple nous a dit et par conséquent à vous de juger. Autrement dit, l'information pourrait sortir. Mais ceux qui ici n'ont pas effectivement fait l'effort de les écouter, et par conséquent, n'y a pas l'information. Mme Diado, du côté euh, du gouvernement, on met en avant certaines dispositions euh, du règlement intérieur qui autorise en son article 66 euh, précisément des séances à huis clos à la demande du Premier ministre ou du un tiers euh, des députés, euh, euh, d'autant qu'il s'agit des questions sensibles et stratégiques de sécurité et de défense. Que peut-on retenir au niveau de la position des députés de la majorité au pouvoir les députés de la majorité ou bien de l'opposition Non, de, la majorité qui ont décidé à ce que les, discussions se, à huis clos. Face à Bon, ça, c'est. Ils ont pris une disposition. Ça, les dispositions euh, leur donne euh, le plein droit aujourd'hui euh, qu'il y ait des discussions pour des intérêts vraiment d'ordre de sécurité ou à huis clos. Mais moi, je ne vais pas trop glisser sur la majorité. Je vais revenir sur l'opposition, l'acte que l'opposition a posé. En fait, l'opposition est dans son plein droit de boycotter. Parce que quand on parle de huis clos, rien ne doit filtrer. Rien ne doit sortir. Ça veut dire que la, population, la, population, ne peut pas entendre ou bien euh, comprendre euh, oui, rien ne doit, ce qu'ils se sont oui, Rien ne doit filtrer. Donc ça veut dire que si l'opposition accepte aujourd'hui de venir s'asseoir et de suivre euh, à huis clos ces discussions, ça, alors que l'opposition voulait que les discussions se fassent au vu et au su de toute la nation nigérienne pour que les gens qui sont en train de spéculer qu'on nous dise la vérité sur certaines choses. Et je pense que c'est un droit, en tout cas pour le peuple nigérien, d'entendre ce qui s'est véritablement passé et ça permettrait de tout ce que nous sommes en train de consommer aujourd'hui à travers les réseaux sociaux sur cette situation, de mettre fin à cette situation. Donc, ils ont demandé à ceux qui qu'on fasse euh, les débats à huis clos. L'opposition a refusé. Parce qu'aujourd'hui, en participant à ce débat à huis clos, cest veut dire que euh, c'est comme si l'opposition est d'accord d'aller écouter et de ne pas rapporter ce qui se passe. Sans vous couper, on se rappelle, il y a des médias internationaux qui avaient enregistré ici à Mahatma Gandhi sur toutes ces questions. Voilà. Euh, Donc, en public. Voilà, en public. Et il n'y a pas eu de cache-cache. Les gens ont discuté, les gens ont dit ce qu'il y a à dire et ça a fait le tour du monde. Mais pourquoi, quand on a devant nous un Premier ministre qui peut aujourd'hui évoquer faire euh, euh, rase table de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Au-delà de ces réseaux sociaux, ceux qui se racontent de par les médias euh, à, à l'international. Mais c'était une occasion pour que les autres citoyens, ceux qui ont perdu en fait les enfants, leurs enfants dans cette situation, ou qui ont des enfants qui sont blessés dans cette situation, puissent quand même savoir qui a donné l'ordre Qui n'a pas donné l'ordre Qu'est-ce qui s'est passé réellement et quelles sont les sanctions qu'il faut prendre Moi, je me dis que on n'est plus au moment de, de, de, de, de faire des, des, débats à huis clos, des débats de cache-cache, parce que nous connaissons déjà l'insécurité, comment ça évolue ici au Niger. Donc, moi, je me dis que euh, même si l'opposition participe à ce débat, l'opposition, c'est un huis clos, comme on l'a dit. L'opposition ne peut pas sortir au grand jour pour venir faire un point de presse et dire ce que le Premier ministre a dit, parce que c'est un huis clos. Donc, cest à dire qu'ils auront déjà transgressé ce huis clos. Donc ça n'aura pas de sens. Abachari Arimi, euh, selon l'honorable Hamidou Oumarou Kiana, les députés de l'opposition ont boycotté la séance euh, pour ne pas se rendre complice euh, de la majorité dite, ce sont ses propres mots, hein, qui veut cacher la vérité au peuple sur la mort euh, de trois jeunes du euh, de et de la sécurité en général en violation euh, de l'article 121 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que peut-on retenir au sujet de la position des députés de l'opposition nigérienne Moi, je pense que ils ont été logiques à eux-mêmes. en voulant écouter en direct euh, les membres du gouvernement. En direct euh, En direct, je veux dire, euh, non pas à huis clos. C'est les la télévision et la, radio nationale. En fait, il voulait mettre le peuple nigérien, à mon avis, dans son droit. Parce que le peuple, il ne faut pas se leurrer, une écrasante majorité de ce qu'on discute dans les fadas de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens voulaient en savoir. Mais les gens ont aussi leur propre idée euh, déjà de ce qui s'est passé. Euh, il ne faut pas se leurrer. Les gens pensent que euh, le gouvernement veut ménager la France, les forces françaises. Mais, le, président de la République, Bazoum Mohamed, a déjà demandé. Ils auraient, pu faire. ils auraient pu faire. moi, à mon avis, le président de la République, c'est mieux assumé que le gouvernement n'est-ce pas, dans la même logique, ils auraient pu sortir, même s'ils allaient donner des réponses vraiment euh, pas très claires, n'est-ce pas En tout cas, des réponses politiques aux questions que les députés allaient leur poser. Ils devaient accepter de venir parce que euh, l'opposition, c'est elle qui a demandé. C'est les députés de l'opposition qui ont demandé. Donc, ils voulaient que ça soit public. Ils veulent mettre le, euh, le, gouvernement devant les faits pour dire exactement ce que les gens s'attendent à entendre. Mais ils n'ont pas voulu le dire. Donc vraiment, moi je pense que euh, l'opposition était, c'était la meilleure euh, réaction à avoir. D'habitude, je ne suis pas contre, je suis contre la politique de la chaise vite mais écoutez, c'est comme si on leur impose la tâche. Selon, vous, Abba c'est donc un rendez-vous manqué euh, pour en savoir un peu plus sur la situation sécuritaire du pays. à mon avis. Et même les événements survenus. C'est à mon avis un rendez-vous manqué pour le gouvernement. Ils auraient pu s'assumer. Vous savez, le peuple ne demande pas beaucoup plus que ce que les gens pensent. Ils auraient pu se prêter à ce jeu, n'est-ce pas C'est à des questions que vous allez répondre la personne, on est des journalistes, on se connaît. Entre l'intervieweur et l'interviewé, chacun a son message qu'il veut faire passer, n'est-ce pas Quand tu poses une question à un homme politique, n'est-ce pas Ce qu'il te répond, ce n'est toujours pas la réponse à ta question. Ils auraient pu accepter de jouer ce jeu parce qu'on a soif, n'est-ce pas, ils sont, que ce soit au gouvernement ou à l'opposition euh, ou à l'Assemblée, c'est le peuple qu'ils représentent, n'est-ce pas Ce peuple, on n'a pas besoin de passer par mille chemins, par des enquêtes ou quoi, pour savoir si les gens veulent les écouter ou pas. Tout le monde voulait écouter. On était content quand on a dit qu'ils allaient venir. Après, on nous dit non, ça sera en huis clos. Sincèrement, il faut jouer le jeu démocratique jusqu'au bout. Évoquer des articles. Oui, il y a toujours des choses pour éviter d'aller devant les, gens. Mais ces gens-là, c'est eux qui, que vous prétendez défendre. C'est eux qui que vous prétendez représenter. C'est pourquoi moi, souvent, notre assemblée même, je me dis, mais pourquoi on a augmenté jusqu'à 173 On a qu'à laisser même au niveau où ça À quoi ça sert finalement Aladji Mamadou Suleiman, vous avez quelque chose à ajouter Oui, je voudrais préciser quand même une chose. Euh, si tant est que le vrai, selon le président de l'Assemblée nationale et beaucoup de députés de la majorité, si tant, est que le vrai que le Conseil des présidents a décidé avec. Ou la conférence. Avec la conférence des présidents. La conférence des présidents, absolument. A décider que le débat se fera avec l'assentiment des députés de l'opposition, cela veut dire que quelque part, il n'y a pas eu cohésion entre, en tout cas, l'opposition parlementaire. Autrement dit, c'est au niveau de la conférence des présidents que j'aurais dû, en tout cas, signifier leur refus du débat euh, à ah huis ah ah Donc, si tant est que vous n'avez pas vous, aurez la parole à Abba, Abba, Abba Chari. Maintenant, l'autre élément, l'autre élément, l'autre élément, Abba Chari, laissez-le finir, laissez-le finir d'abord, vous aurez la parole rapidement, De la même façon qu'ils ont refusé, même ils peuvent dire que nous ne sommes pas d'accord et informer l'opinion. Et maintenant, maintenant aussi, l'autre élément, l'autre élément aussi, c'est que selon des juristes avisés, effectivement, la disposition qui consiste à dire que, effectivement, la demande du Premier ministre bien un des, des, députés, on peut effectivement faire ça, ah, c'est aussi réel. Et c'est la Constitution. Et ils disent qu'effectivement, d'un point de vue de passé, de forme, effectivement, c'est que la Constitution, est supérieure, en tout cas, à un règlement intérieur. Ah, rapidement. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ce soit, que, que au niveau de la conférence des présidents, oui, il y a des présidents qui sont de l'opposition. Mais là aussi, de la même manière que dans la plénière, le pouvoir est majoritaire, au niveau de la conférence des présidents aussi. Donc, quelle que soit la position des... Et puis, moi, je ne parle même pas au nom des députés. J'ai dit, le peuple avait envie de savoir, ils auraient pu se jeter à l'eau. Le président de la République a dit des choses, n'est-ce pas, dont on n'est pas d'accord du tout, même par rapport à cette question-là, n'est-ce pas il a dit que se le français, la France reste des partenaires pour nous. Pour l'instant, on ne peut rien. N'est-ce pas Mais on est d'accord, pratiquement beaucoup sont d'accord. Certains, ceux qui ne sont pas d'accord, n'ont rien fait. Au moins, il a eu le courage de sortir et parler par rapport à cette. Les gens, le Premier ministre aurait pu sortir et parler par rapport à cette question. Nous dire même que si la France veut, on ne peut rien. C'est son problème. Mais on, aurait voulu vraiment les entendre. Sinon, les gens s'entendent. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Alaj Mamadou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Abba Arimi, journal journaliste à la radio alternative, et Maimouna journaliste indépendante. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à et dimanche manche le forum en Zarma. Merci aussi à la technique régissant assurée par Abdelkader Chombiano et à la réalisation Issa Lawali. Merci, au revoir.